Gloire à Dieu. Je peux entendre votre voix, je dis gloire à Dieu. Ce soir, c'est ma soirée. Nuit de bénédiction. Nuit de l'effusion. Nuit spéciale pour chacun au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour ce jour. Merci pour notre session de réveil. Merci pour chacun membre, dirigeant, ouvrier, invité. Nous savons qu'aujourd'hui, nous n'allons pas, tu ne vas rater personne au nom de Jésus. Nous prions que tu ébranles tout ce qui est ébranlable. Touche chaque vie. Transforme-nous. Seigneur, manifeste-nous Manifeste-toi de façon merveilleuse au nom de Jésus. Bénédiction sur bénédiction. Signe et prodige pour ton peuple. Les désirs que nous avons dans nos cœurs ce soir, nous prions que tu nous puisses satisfaire tous ces désirs au nom de Jésus. La joie, là il y avait la tristesse. Le sourire, là où il y avait, avait les pleurs. Miracle, là où il y avait la misère. Nous prions qu'aujourd'hui, que chaque vie expérimente cela au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Vous êtes déjà béni pour vous asseoir. Nous sommes en 1er roi 18, verset 1er. 1 roi, chapitre 18, verset 1er. Bien de jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Va présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Je suis sûr que vous connaissez l'histoire. Il y avait la famine dans le pays. Il y avait la sécheresse dans le pays, les besoins dans le pays. Pensez à la pauvreté, c'était dans le pays. Pensez à la faim, il y avait cela dans le pays. Pensez aussi à tous les besoins des hommes. Les gens vivaient difficilement, tout était là, mais Dieu dit, que cette famine prendra fin. La, fin, la famine prendra fin. La pauvreté prendra fin. Et ce soir peut être un point décisif dans votre vie, peut être un tournant décisif dans votre famille. Et quelque chose de merveilleux et de grand arrivera dans votre vie au nom de Jésus. Allez dans le verset 45 de ce même chapitre. Verset 1. Il dit, je ferai tomber la pluie. Dans ce chapitre, le chapitre n'était pas encore terminé sans que la pluie ne tombe. Mais ce soir, la réunion ne prendra pas fin sans que ta bénédiction ne vienne, sans que ton miracle ne vienne. Vous voyez le verset 45, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il eut, dites-moi la suite, la haute voix, et il eut, qu'est-ce que toi tu espères ce soir et il y eut une forte pluie, un grand miracle, une grande manifestation, une grande bénédiction, une grande effusion sur chaque vie, sur chaque famille, au nom de Jésus. Oui, cela va s'accomplir ce soir. En un, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Ce soir, nous considérons le message, la manifestation remarquable de la faveur divine. La manifestation remarquable de la faveur divine. Ce que Dieu veut te manifester ce soir, c'est la faveur du ciel. Ce qu'il veut implanter dans ta vie ce soir, c'est la faveur venant du ciel. Et l'abondance qui veut venir sur ta vie ce soir est une faveur du ciel. Quelqu'un là-bas reçoit, ça déjà. Et ce sera sur ta vie au nom de Jésus. En Deutéronome 33, verset 23. Deutéronome 33, verset 23, 33, 23 de Deutéronome. La manifestation remarquable de la faveur divine. On dit sur Neftali, il dit, Neftali, rassasié de faveur. Est-ce que tu peux mettre ton nom là-bas? Rassasié de faveur. est-ce que tu peux mettre ton nom là-bas? Parce que vous savez, Neftali n'est plus là aujourd'hui. Et c'est toi qui es là ce soir. Et le Seigneur veut ça sur ta vie, la faveur sur ta vie. Et il dit, tu seras rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel. Tu seras rassasié des bénédictions de l'Éternel. Prends possession de l'Occident et du Midi sur Azer, il dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël. Les familles ici représentées, soyez bénies par les enfants. Vous êtes mariés et vous cherchez le fruit des entrailles. Ce soir, soyez bénis d'enfants miracles qu'il soit agréable à ses frères. Tu seras agréable. Au service, tu seras agréable. Dans, au marché, tu seras agréable. Et l'eau de tes mains va évoluer, prospérer au nom de Jésus. Qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Ceux qui n'ont pas le Seigneur, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, plus ils durent, plus ils se fatiguent, plus ils vieillissent, plus ils deviennent faibles. Et ils n'ont plus la force pour le ministère de la fin des temps. Mais, est-ce que comme je te vois là-bas, il dit, est-ce que je te vois là-bas, toi, tu seras différent parce que tes verrous sont de fer et de reins, Tu vas marcher sur les serpents, et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, ils seront sous tes pieds. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. Frère, tu es en sécurité dans ta demeure. Sœur, tu es en sécurité dans ta demeure. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou. Et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël. Tes larmes sont effacées. Heureux, la tristesse est enlevée. Que tu es heureux. Ta, ta, misère oubliée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras les lieux, les lieux élevés, toutes leurs menaces, rien. Toutes leurs vantardises, rien. Et quiconque te dira, je vais t'achever. Ils disent, ah, tu vas voir ceci, tu vas voir. Tu peux aller te cacher haut, tu peux aller vie haute, vie basse, tu peux aller vie profonde. Ce problème sera là. C'est un mensonge tes ennemis feront défaut devant toi ce soir et tu fouleras leurs lieux élevés. Somme 5. Somme 5, verset 12. Somme 5. Tu es déjà béni ce soir. Les choses changent dans ta vie ce soir. Somme 5, verset 13, Louis II. quand tu bénis le juste, ô éternel, tu l'entoures de quoi Qu'est-ce qui vient dans ta vie ce soir Qu'est-ce qui va t'accompagner au service demain Qu'est-ce qui sera dans ta communauté Sur tes enfants qui vont à l'école Sur ton épouse qui va au marché Sur tes parents qui viennent te visiter Sur tous ceux qui viennent se réfugier dans ta maison ce soir, au moment de la prière, j'ai dit au moment de la prière ce soir, qu'est-ce qui viendra dans ta vie ce soir Faveur, faveur. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Le bouclier de l'éternel qui va protéger, préserver ta vie. Il va te couvrir de faveur ce soir au nom de Jésus. La manifestation remarquable de la faveur divine. Revenons en premier roi au chapitre 18. Un roi 18, il y a trois points à considérer premièrement. La promesse de la part de l'omnipotent, la promesse de la part de l'omnipotent. Deuxième point, la préparation pour l'abondance. L'abondance vient. Le surnaturel, l'abondance surnaturelle, l'abondance matérielle l'abondance professionnelle, la joie sur joie, la bonté sur bonté, l'abondance du Seigneur. Deuxième point donc, la préparation pour l'abondance. Et troisième point, la prière avec assurance. La prière que nous ferons ce soir, il n'y aura pas de doute, hein. il n'y aura pas de prière d'incrédulité. J'attends un amen là-bas. Il n'y aura pas de prière de peut-être ou peut-être pas. Ce soir, il y aura la prière de confirmation. Ta vie, une confirmation. Parce que ce sera la prière avec, euh, dites-moi, dites-moi au revoir, la prière avec assurance. Tu verras ça dans ta vie. Tu vas sentir ça dans ton corps. Quelque chose de tangible arrivera chacun ce soir au nom de Jésus. Premier point, dites-moi, le premier point c'est quoi La promesse de la part de l'Omnipotent. Un premier roi, verset premier. Bien des jours s'écoulèrent et de la parole, et la parole de l'Éternel fut, fut, ainsi adressée à Élie. Vous savez, chaque fois que la parole de l'Éternel est parvenue à Élie, il savait qu'il y aura un accomplissement. Et tu dois avoir la même, la même pensée, tu dois avoir la même attitude, tu dois avoir la même foi, tu dois avoir la même attente. Comme la parole de Dieu ne te parvient, il y aura une manifestation ce soir. Il y aura un accomplissement ce soir. On dit la parole de l'Éternel fut ainsi adressé Cela dépasse toute autre parole que tu as entendue, toute autre parole qu'il a entendue, qu'un toute autre parole qu'Achab a prononcée ou que les adorateurs de Baal ont prononcée, toute autre parole que les, que les, les, les, les, les idolâtres ont prononcée cette parole de l'Éternel dépasse toute autre chose. Toute autre parole que tu entends dans ta vie. Toute autre parole que tu as entendu quelqu'un prononcer. Oh, cette parole, elle sera prééminente. Et cette parole, elle va surpasser dominer, elle va engloutir, elle va renverser toute autre parole que tu as entendue dans ta vie au nom de Jésus a adressé à Élie dans la troisième année, va, présente-toi devant Achab. Laisse-moi arrêter là pour le moment. Chaque fois qu'un prophète vient devant toi et se présente devant toi, quelque chose va arriver. Partout où Élie allait, va te montrer. Partout où il allait. Est-ce que vous remarquez cela? Il s'est manifesté au torrent. et les corbeaux sont venus là. Il s'est présenté dans la maison de la, de la veuve qui ramassait les bois. Je vais manger, mourir. Partout il se montrait, les miracles venaient. Maintenant, il dit, montre-toi, présente-toi devant Achab le, roi de la nation est un miracle pour tout Israël, un miracle pour toute la famille. Et voici la promesse du Seigneur. Et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol, sans condition. Ceci sera accompli. Ceci va se passer dans ta maison. Tu verras le rafraîchissement de cette pluie. Dans ta vie, tu verras le rafraîchissement de cette pluie. Parce qu'il dit, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. La sécheresse sera terminée. La, la sécheresse prendra fin. Le découragement prendra fin. Les manquements, je n'ai rien, je n'ai rien, prendra fin partout cet emploi, il viendra. Partout se trouve la provision, elle viendra. Tu le crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi. C'est la parole et c'est la promesse du Très-Haut. Nombre 23. Nombre chapitre 23, verset 19. Rome, euh, nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu qui a dit à Élie, va te montrer, à Échab il va faire tomber la pluie. Il n'est point un homme pour mentir ni fils d'un homme pour se repentir. Non 23, 19. Il ne change pas sa pensée. Quand il dit qu'il va sauver, il ne va pas changer sa pensée. S'il dit qu'il va te guérir, il ne va pas changer sa décision. S'il dit qu'il va pourvoir tous tes besoins, il ne va pas changer sa pensée. S'il dit qu'il va effacer tes larmes, il ne va pas changer S'il dit, le rafraîchissement, la faveur viendra sur ta vie ce soir. Il ne va pas changer de décision. Mais ce sera fait. J'ai dit ce sera fait. Parce que Dieu n'est point d'homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas est-ce qu'il l'a prononcé et ne va pas l'accomplir La parole de l'État sera accomplie dans ta vie ce soir. Accomplie accompli, exécuté. Et ça vient dans ta vie. Psaume 105. Psaume 105. 42. Psaume 105, 42. Car il se souvient de sa sainte, de sa parole sainte d'Abraham, son serviteur. Il se souvient de sa parole sainte. Vous voyez, quand une parole sort de la bouche de Dieu. C'est la sainte parole. C'est une sainte promesse. C'est une sainte prophétie. C'est une sainte déclaration. Et quand c'est comme c'est saint, vous ne pouvez rien retrancher. Ça vient de la bouche du Dieu Tout-Puissant. Et il dit, il se souvint d'Abraham, son serviteur. Rappelez-vous, Maintenant, il se souvient de Jésus-Christ, son Fils. Et il se souvient de Jésus, son Fils. Quand Jésus a dit sur la croix du Calvaire, tout est accompli, Dieu doit toujours se rappeler cela. Dieu va se souvenir de cela. Tes tristesses sont terminées. La sentence est enlevée. La condamnation est achevée. Tous les fardeaux sur ta vie, tout est enlevé parce que c'est la sainte promesse du Seigneur. Et, et il, il va toujours se souvenir de Jésus, son Fils. Verset 43 là. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse. Il te fera sortir ce soir dans l'allégresse. Ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances. Il nous prépare pour l'obéissance. Ils nous prépare pour obéir au statut du Seigneur et pour garder ses lois. Quelqu'un là-bas, donnez-moi la dernière ligne là. Dites-moi ce que vous allez dire après la prière ce soir. Dites-moi ce qui va arriver dans le bus, dans le véhicule quand tu vas rentrer ce soir. Dites-moi ce soir, avant de dormir, ce que tu vas sortir de ta bouche. Tu vas louer le Seigneur, tu vas louer l'Éternel, tu vas louer l'Éternel. Parce que l'abondance viendra dans ta vie. Les promesses de Dieu viendront dans ta vie ce soir. Revenons, revenons maintenant à 1er roi chapitre 18. Deuxième point maintenant, la préparation pour l'abondance. La préparation pour l'abondance. Je veux que vous voyez chapitre 18 de 1er roi, verset 2. Élie, y a là pour se présenter devant Achab. Voyez cela, voyez cela. Ça, c'est la préparation. Parce que Dieu avait dit, va, présente-toi devant Achab. Il n'y avait pas la pluie pendant trois ans et demi. Maintenant, Dieu dit, je vais faire tomber la pluie. Il va te montrer à Achab. Il n'y avait pas de doute dans son cœur. Et si je vais à Achab et je fais l'annonce et que rien ne se passait, non, quelque chose va se passer. Il dit, quelque chose va certainement se passer. Et si nous prions et qu'on dit que Dieu va le faire, et si rien ne se passait, ne parle pas comme ça. Quelque chose va se passer. Dans ta vie, quelque chose va se passer. Un miracle vient, quelque chose va se passer. et Élie alla pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie. Verset 3. Achafi appelle Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Et il les avait nourris de pain et Dieu merci pour une personne comme Abdias. Dieu merci pour une personne comme toi. Là où tu travailles, si tu à Dieu, au peuple de Dieu, tu vas te distinguer. Pendant que Jézabel exterminait ses prophètes, Abdias a rassemblé ce qu'il a pu et il les et il les a nourris de pain et d'eau matin et soir verset 6. Verset 5. Achab dit à va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets. Et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partageaient le pays pour le parcourir. Achab alla seul par un chemin et Abdias à alla seule par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici elie le rencontra. Élie le rencontra. Élie le rencontra. Le prophète va te rencontrer. Il va te rencontrer avec un message. Et quand le message te parviendra, il sera accompli dans ta vie au nom de Jésus. Abdias ayant reconnu tomba sur son visage et dit, Est-ce toi, mon Seigneur Élie Il lui répondit, C'est moi. Va dire à ton maître, Voici Élie. Regardez ici, s'il vous plaît. Eh, Voici Élie. Il pouvait avoir peur à trois ans et demi maintenant, il n'y avait pas de pluie. Et le roi quittait le trône et cherchait de l'eau, même pour les animaux. Il girait là-bas, aussi va là-bas. Mais Élie n'avait pas peur. Il va dire à ton maître. Et voici Élie. Je prie que l'esprit d'Élie vienne sur toi. L'audace d'Élie viendra sur toi. Que le courage d'Élie vienne sur toi. Tu ne vas pas marcher la tête baissée pour dire qu'est-ce qu'il n'y a pas. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu dis celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Reste debout, droit, et que les épaules soient bien hautes. Regarde Abdia, c'est annonce. Tu veux voir, je veux voir Achab aujourd'hui. Et quand tu vois Achab, il y aura un miracle. Verset 9, et Abdia dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab qui me fera mourir L'Éternel est vivant, il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Élie était quelque part. Il était au torrent. Il n'y avait pas de troupeau là. Il était en public, en plein air. Et Achab l'a cherché avec tout ce qu'il a envoyé. Mais ils n'ont jamais découvert là où Élie était. Ils ne veulent pas savoir là où tu es. Ils ne verront pas ta maison. Ils ne te verront pas pour te faire du mal. Ta vie est sécurisée dans les mains du Tout-Puissant. Et ils sont venus dans la maison de la veuve. Il est arrivé dans la maison de veuve. La femme était une veuve. Il n'y avait pas de grande sécurité là-bas. Il n'y avait pas de garde là-bas pour lui mais Achab ne l'a jamais vu. Comment est-ce que tu penses que les gens vont te voir J'ai dit, comment tu penses que ces gens-là vont te voir Ta vie est sécurisée. Ta famille est sécurisée. Tes affaires sont sécurisées. Ils ne pourront pas te rabaisser. J'ai dit, ils ne pourront pas te rabaisser. Et quand il a dit, il n'est pas là-bas. Il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Verset 12. Puis, lorsque je t'aurai quitté, puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où, Voyez cela. Élie ne savait pas ça lui-même. Qui ne mourra pas, que l'Esprit de l'Éternel viendra et le prendra comme un aperçu de l'enlèvement et l'enlever. Élie ne savait pas ça. Quelqu'un appelé Abdias avait déjà prophétisé. Tu t'avis. Tes ennemis vont prophétiser. Ce que tu penses, ce que ne m'aiment pas, ils, travaille travaillent avec Achab, ils travaillent avec tel, tel. tel ils ne diront rien de négatif contre toi. Tout ce qui sera négatif, cela sera annulé. Mais il y aura une grande prophétie venant de la bouche et ce sera accompli dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, il dit, et j'irai informer Achab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur crée l'Éternel dès sa jeunesse. Il a commencé à raconter à Élie comment il a craint. Verset 15. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Achab. Quand Aujourd'hui, aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt pour aujourd'hui? Est-ce que toi tu es prêt pour aujourd'hui? Quelque chose doit arriver aujourd'hui. Abdias, étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose. Et Achab se rendit au-devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie qui lui dit, Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël Verset 21. Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Vous savez ce qui s'est passé Élie a dit, ne dis pas ça. C'est toi qui troubles Israël. Va Il a donné un commandement. Il a donné au roi Achab, rassemble tout le monde. Et Achab a couru. Il a fait les courses pour Élie. Ils vont faire des courses à ta place. J'ai dit tes courses. Prépare-toi. La parole d'autorité sortira de ta bouche. La parole de puissance sortira de ta bouche. Et Élie est venu vers tout le peuple. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est mal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Vous savez ce qu'Élie leur disait Il leur disait, dites que vous servez le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vous voici, vous savez observez Baal. Comment est-ce que vous pouvez clocher de deux côtés un côté vous allez, de l'autre côté vous allez vers Baal. Il disait ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 24. Matthieu 6, 24. Aucun homme ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou ira l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Là, c'est le message qu'il leur donnait. C'est le message que nous avons encore aujourd'hui. Nous ne pouvons pas servir Dieu et maman. Nous décidons servir Christ de tout cœur, entièrement aujourd'hui, au nom de Jésus. Nous n'allons pas clocher de deux côtés. Nous attendons la pluie de miracles, la pluie de puissance, la pluie de rafraîchissement. La pluie de réveil. Euh, et cette pluie est sur le point de tomber maintenant. J'ai dit, cette pluie est sur le point de tomber maintenant. Troisième point maintenant. La prière avec assurance. La prière avec assurance. Revenons à 1 Roi chapitre 18, verset 41. Élie et d'Achab montent, mangent, boivent, car il se fait un bruit qui annonce la pluie il n'avait pas encore prié pour la pluie, mais il avait l'assurance. Nous n'avons pas encore commencé à prier, mais tu as l'assurance. L'assurance que l'accomplissement aura lieu ce soir. L'assurance qu'il y a un miracle ce soir. L'assurance que l'abondance viendra dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Verset 42. Verset 42, « et Élie dit à Achab, monte, mange bois. Monte, dites-moi la suite. Mange et bois, car ce fait un bruit qui annonce la pluie. Verset 42. Achab monta pour manger et pour... Euh, Achab monta pour... Dites-moi la suite. Il a cru. Il a cru. Il a dit, ce délit je pensais qu'il était mon ennemi, mais il n'est plus mon ennemi. Ce qui me dira, je le ferai. Parce qu'il a vu la puissance. Ce homme a prié et le feu est tombé du ciel. Maintenant, il me dit que la pluie va tomber. Ah, il a cru. Il, Achab n'aura pas une plus grande foi que toi. Et Achab n'aura pas une meilleure compréhension des miracles, de la puissance miraculeuse de Dieu que toi. Au nom de Jésus. voyez Achab qui prend la parole, qui accepte la parole, qui sait que ce sera accompli. Achab monta pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son son visage entre ses genoux et dit, il est temps de prier. C'était sa posture. Et dit la son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Il regarda et dit quoi Dites-moi. Est-ce qu'il y aura quelque chose ce soir Est-ce que tu seras comme ce serviteur-là Il n'y a rien. Il dit, retourne. Tu dois voir quelque chose. Il dit, tu dois voir quelque chose. les promesses de Dieu sont oui et amen. Tu dois voir quelque chose. Dieu est toujours le même, il n'a pas changé. Tu dois voir quelque chose. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu dois voir quelque chose. Ta conscience dit à ton cœur, ton cœur te dit, quelque chose va arriver. Tu dois voir quelque chose. les écoutes des cieux sont ouvertes. Tu dois voir quelque chose. Le Dieu qui ne peut mentir, le Dieu qui a dit, va te présenter à Chab, et je vais envoyer la plus abondante. Il n'a pas menti. Il le fera. Tu dois voir quelque chose. Il dit retourne. Première fois, deuxième fois. Elie continue à dire, j'ai prié, tu dois voir quelque chose. Nous prions ce soir et tu dois voir quelque chose. Je verrai. Où es-tu? Je vais voir. J'ai dit, où es-tu? Je vais voir. Cette fois, à la septième fois, il dit, Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Un petit nuage. Vous savez, nous attend l'abondance, la pluie abondante. Il a vu un petit nuage qui s'élève. Ça, c'est juste le commencement. Cette chose va s'élargir. Cette chose va se multiplier. Cette chose va grandir. Et dit, je vois, et qui est comme la pomme de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Achab, dis à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instants, dans ma vie, un peu d'instant dans ta vie ce soir, un peu d'instant dans ta famille ce soir, un peu d'instant dans la vie de cet enfant qui est à l'hôpital, un peu d'instant, dans, son voisin pour qui tu es préoccupé, un peu d'instant, oh, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit. Et il y quoi Et il y quoi, dites-moi Et il y quoi, dites-moi Une forte pluie. Jacques chapitre 5 verset 17. Jacques 5, verset 17. Jacques 5, 17. Élie est un homme de la même nature que nous. Il prit avec instant pour qu'il ne plût point et ne tomba point de plus sur la terre pendant trois ans et six mois. Et puis pria de nouveau. Et puis pria de nouveau. Et pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Nous allons prier ce soir. Et les cieux vont donner la pluie. En Luc 18, hein. Luc 18, euh, verset 7. Euh. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour Et tardera-t-il à leur égard Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ce soir promptement. Ce soir promptement. Esaïe 65. Esaïe 65, verset 24. Esaïe 65, verset 24. 65, 24. 65, 24. Avant ce soir, avant qu'il m'invoque dans ta vie, avant que cela n'arrive, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai la faveur ce soir, l'abondance ce soir, miracle ce soir, signe produit ce soir, la manifestation remarquable de la puissance de Dieu dans ta vie ce soir, au nom de Jésus. C'est le moment maintenant. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Quelqu'un là-bas, ça va s'accomplir. Dis-le. Dis-le. Avant que j'invoque, il répondra avant que j'ai cessé de parler, il exaucera. Une fois encore. Avant que j'invoque, répétez, il répondra. Avant que j'ai cessé de parler, il exaucera. Répète-le toi maintenant. Verset 24, 1, 2. Et quelqu'un crie Amen. Lève-toi maintenant et reçois la confirmation dans ta vie. Lève-toi et reçois la confirmation ce soir. Parce que ça va t'arriver, ça va arriver, ça va arriver, ça s'accomplira. Dis-le, déplace la montagne, parle à ta montagne, parle à ce problème. Ça va s'accomplir, ça va s'accomplir ce soir. Et ce soir, c'est ta nuit. Ce soir, c'est la nuit de manifestations remarquables de la faveur divine dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. Tu es venu pour quelque chose. Tu auras plus que ce que tu cherches. Tu auras plus que ce que tu cherches. Tu auras plus que ce que tu cherches la puissance, miracle, l'onction, l'autorité. C'est là ce soir, pendant que tu parles, pendant que tu parles, pendant que tu parles. Il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Même avant que tu n'aies cessé, avant que tu n'ouvres la bouche, l'exhaustion viendra du ciel. L'exaucement viendra du ciel. L'exaucement viendra du ciel. Parle, parle, parle au Seigneur. Ne doute pas. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu, est Dieu. Il est éternel. Il est le Tout-Puissant. Il est l'Omnipotent. C'est lui qui ne peut faillir. L'a-t-il dit, ne fera pas. A-t-il parlé pour ne pas l'exécuter le jour du déversement, l'infimité va disparaître, la sécheresse va disparaître, le manquement va disparaître, la pauvreté va disparaître. C'est le jour d'abondance. C'est le jour de la pluie abondante. C'est le jour de la grande pluie. Jour de miracle. Jour de puissance. Jour d'onction. L'onction qui brise tous les jours. Pendant que tu parles, pendant que tu parles encore, il va t'exaucer. Il l'entendra. Il va exaucer. Prie avec assurance. Il va t'exaucer. Même Achab a cru à la parole du prophète Élie. Va manger, efface les larmes, efface la tristesse, ôte les doutes, ôte les palpitations du cœur. Outre l'incrédulité, ce soir, ce soir, les ossements aux prières ce soir, la manifestation ce soir, l'accomplissement ce soir. Ça viendra pour toi. Ça vient pour toi. God has answered my prayer. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu a exaucé ma prière. Dieu a exaucé ma prière. Il y a une manifestation dans ma vie ce soir. Il y a un miracle dans ma vie ce soir. La joie est venue dans ma vie l'assurance dans ma vie. Quelqu'un là-bas a un miracle. Où est-il Où est-elle Une confirmation dans ta vie au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, tu es le Dieu qui exauce les prières. Tu ne vas jamais décevoir ton peuple et tous ceux qui sont là ce soir, frères et sœurs, garçons et filles. Seigneur, je prie qu'il y ait un miracle défini, une transformation définie, une manifestation définie dans chaque vie ici au nom de Jésus. Tous ceux qui ont mentionné dans la prière, Seigneur, je prie, donne-leur cela au nom de Jésus. Cette montagne que nous sommes d'accord, cette montagne disparaît au nom de Jésus. Ce problème occasionnel pérenne qui vient s'en va, il vient perpétuellement, je prie. Que ce soit, soit la fin définitive. Libère ton peuple. Brise tous les jours de leur vie. Seigneur, je prie accorde à chacun la pensée au nom de Jésus. Envoie les portes ouvertes devant chacun. Seigneur, je prie que la pauvreté disparaisse, que le chômage disparaisse, la stérilité disparaisse, que la famine locale là-bas, dans la vie personnelle, arrache la famine au nom de Jésus. Provision pour chaque famille. Abondance pour chaque famille. Toutes les larmes efface-les, Seigneur. Je prie, Seigneur, que toute chose définie qui a été demandée concernant chacun ici présent, confirme-le dans chaque vie au nom de Jésus. Maladie ne repartira pas à la maison avec quelqu'un. La maladie, quel que soit le nom, la maladie, quelle que soit la description, la maladie, quelle que soit la durée, je te commande, sors au nom de Jésus. Attaque, affliction, oppression, puissant démoniaque, sortez au nom de Jésus. Je prie que tu transformes la tristesse en joie efface leurs larmes, apporte la joie, le sourire dans chaque vie. Et je prie, miracle pour chacun. Pour chaque personne, Seigneur, miracle, confirmation au nom de Jésus. L'abondance de la pluie, abondance de miracles, provision abondante, bénédiction abondante. Exaucement, prière en abondance, confie pour chacun, Seigneur. Mets un chant dans chaque bouche. Témoignage, dans chaque bouche. Seigneur, toute âme ici plaira au Seigneur. Louera le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Tes prières sont exaucées au nom de Jésus.